Si koy observer. Mhm. en disant qu'il n'y a pas de tension il y a une tension politique les tensions politiques mènent à des tensions sociales que mooy parce que bu tension politique politiques mooy tôt ou tard si affaire les gens vont se retrouver dans la rue ce que ce qui se passe aujourd'hui nous ne ñu xam ko Biram Faye nous on est dans une situation de judiciarisation de l'espace public manam bu ñu jëlee kaddu te faire ci te wax arranger pouvoir on te met au nyuf on peut nommer des personnes qui ont pris des positions politiques qui ont en fait victime de délit d'opinion. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons dit. Pendant ce temps, il y des gens qui ont fait des choses. Ils ont dit que ce qui est le plus important, ce qui ont fait des choses, Nous avons fait des choses. C'est ce nous avons fait ce que nous avons remarqué et ce nous avons fait Si nous ne le nous sommes complices de ce qui se passe et on n'a pas le droit de guise comme Nico Bouba parce que quand l'espace public est judiciarisé la démocratie est menacée et quand la démocratie est menacée c'est parce que les libertés sont restreintes et on n'a pas le droit dans ce pays Sénégal on peut parler oui oui gagne une Coupe d'Afrique Nous avons eu 20 finale oui yaakaar nañ ne am nañ or ak pétrole mais taaru réew mi c'est un pays où l'expression de la démocratie lol lañ ñu nawé mais lolou dafa nek di wàññeeku sous Macky Sall c'est le constat que tout le monde a fait ñom ci sen bop xam nañ ni effectivement c'est un constat qui est qui est là beneen affaire moy bu ñu nekkee ci situation bobu noonu le citoyen quand il sent que ses droits ne sont pas respectés mais qu'est-ce qu'il fait il n'a qu'une seule option c'est défier l'autorité <coughs> il dit moi, la démocratie a besoin d'animation et l'animation de la démocratie c'est des meetings c'est des débats on ne peut pas baïfier un seul parti a la possibilité de s'exprimer dans l'espace public. La tournée économique a été également une occasion de tournée économique. C'est aussi un prétexte pour drainer des foules. Parce que la tournée économique qui concerne la République, l'Angleterre a t-shirt ah, de couleur APR. Parce que ce n'est pas la fête du parti, une tournée économique. C'est pour construire le pays. La journée des femmes, quand la République organise au Grand Théâtre la journée des femmes, ce n'est pas le parti qui l'organise. Il faut que l'on nous fatali. Il faut qu'on revienne aux fondamentaux de la démocratie. Il faut qu'on revienne à ce que nous avons une république. Police il faut fa duggé tok fa di que do fa yëkëti débat Macky Sall do fa yëkëti effectivement policiers yi duñ nangu ngay débat Macky Sall Sonko parce que effectivement on est dans une république parce que dañu xamné effectivement c'est des personnes de la république et non du parti li xew tay on est dans une bipolarisation du débat politique moy les questions essentielles sont occultées on ne parle plus d'éducation on ne parle plus de santé on ne parle plus de d'emploi des jeunes, on parle de Ousmane Sonko et de Macky Sall. On nie, candidat, on veut l'éliminer. On a essayé l'affaire Adjissar. On tombe aujourd'hui, on saute sur une occasion, sur un penalty qui nous est offert. Moi, effectivement, l'affaire Mambayna. Oui, pour moi, ils se disent qu'effectivement, moo gën a yomb moo gën a yomb moo gën a yomb xam nga affaire Adji Sarr il faut amener il faut vraiment moo est a compliqué ensuite am na yoo xamante en fait waruñu si taxaw tey en entendant monsieur le ministre di wax ak Ngagne Demba pour man monsieur le ministre de par son expérience politique aurait dû dimbale Ngagne ci expérience politique am en gentleman waruñu waxtaan muy waruñu waxtaan muy dëgër warul warul demee noonu dafa war a dafa war soft le plus grand démocrate du plateau c'est Charles. Ah, mais mais n'importe quoi. non billahi wallaahi ah, parce que mais, ne laa koy mais on n'est pas d'accord. non barki Rasulullah c'est le plus grand démocrate du plateau. parce que lu nekk lañ koy. mais non non non lu nekk lañ koy attaqué lu nekk lañ koy wax ah ah.

moy dafa am lo xamantene moy suñu tar dafa am lo xamantene moy suñu way té duñu ñu nangu mu jogé fi moi si j'étais Macky Sall j'allais je serais la première personne en première ligne pour dire je combats je suis contre le troisième mandat. l'étendard de la démocratie oui, parce que mom il est parce que li war ko def c'est parce qu'il était avec nous tous. oui pour lutte pour dire non au troisième mandat il était là. il était là. maintenant et puis maintenant, je dégg Macky Sall film. dans un film Il y a le l'exercice du pouvoir corrompre. il doit il doit se rappeler de ce film là ça s'appelle Quitte le pouvoir Je journaliste hollandaise interviewé et aujourd'hui le pouvoir est l'exercice du pouvoir est en train de le corrompre seulement quand on exerce le pouvoir, on n'a pas tous les éléments. On n'est pas forcément en contact avec la réalité. On nous raconte la réalité. C'est différent. Quand on nous raconte la réalité et être en contact avec la réalité... On ne la vit pas. Oui, on ne la vit pas. On est dans la confidentialité de de Est-ce que tu as moi pouvoir Et malheureusement, mono hamlep, mono contre le lep, c'est arrivé à Abdou Diouf qui n'avait jamais cru qu'au Sénégal mbuusu ou faire amna. non oui. la microconsommation. oui la microconsommation. oui aujourd'hui ni wax ni deuk bi amul tension ils n'ont ils n'ont absolument rien compris les Sénégalais n'arrivent pas à discuter tranquillement ci affaire Sonko ak Macky Sall ça finit toujours par ay xulo, xex, werante bàyyante Amna ay nit yu ci bàyyante Macky Sall Sonko amna mariage yu ci mariage yu donc en fait il faut qu'on revienne à la raison revenir à la raison c'est effectivement laisser laisser les gens s'exprimer parce que xam nga lan moy doole exprimer laisser les gens s'exprimer ça anticipe sur la violence ça anticipe il faut anticiper il faut permettre effectivement pour nous de faire yegg ci situation Ce qui actuellement on doit laisser les gars si leen neexee war nañu meeting faire fu meeting parce que si nañu saa yu un meeting te ñu bàyyi un meeting quand les gens y a des milliers de personnes qui se retrouvent dans un espace manifester meeting etc., etc. <coughs> mais qu'on laisse les gens s'exprimer parce que sous Boba, ça pourra même après aussi que les gens de Macky aussi organisent d'autres meetings d'autres parts. Comme ça, ça nous permettra, nous en tant que euh, en, tant que parti politique ça nous permettra de voir effectivement euh, lan la affaire bi et que les gens discutent d'idées nous devons dañ war parce qu'une eh, discussion est impossible entre nous. Parce que quand Souma Dégué, Souma Dégué, Souma Dégué, Michel le ministre de Daralou c'est parce que pour moi, il est, il est très éloigné de la réalité. Pour moi, tu es très éloigné de la réalité. pour man xamoo lu xew pour man vitre teintée yi naax na la. non non non pour man parce que vitre teintée ak auto clim day nax. mais dalay nax. dalay nax oui moo tax buuba gi j'ai perdu beaucoup de repères de la. maa ngi dans la rue. grand pas plus que nous. Ah, mais grand lekkatoo may nga. yàlla moo ma. non lekkatoo may nga. billahi maa ngi may nga mais laajal ñu may. ma laaj ma laaj ma laaj la dara non puisque non non attends maa ngi ci mbedd léegi déglu ma léegi léegi man tey dugg naa Mayga ndekkee naa Mayga tey léegi léegi benn léegi ba léegi léegi ana portion portion frite portion frite bu mu jàpp